L'érosion côtière est un fléau douloureusement ressenti euh, dans la petite côte. Aujourd'hui, ce sont des plages entières qui sont menacées de disparition et réduites à leur plus simple expression. Face au phénomène et devant les sommes colossales qui ont été investies, différentes stratégies sont développées par les investisseurs privés et les autorités pour ralentir, voire stopper l'avancée de la mer. Fini les plages de Sali jonchées de parasols battant le plein en saison touristique, le Sénégal, un pays sûr, ensoleillé, accueillant, un pays aux multiples richesses. Les autorités cherchent à éradiquer le fléau, mais la riposte reste encore timide. Où se situe donc le problème Monsieur le Président, en tant que natif de Fatigue, je parle loin de toi, parce que tu as réussi c'est ma fierté, Monsieur le Président de la République. Je te demande de venir voir là ce que nous vivons, au centre commercial. Il n'y a rien qui marche, il n'y a pas de touristes, il rien. Il n'y a que des Sénégalais qui sont là, qui sont patients, qui sont patients, qui ont envie de gagner leur vie. Viens nous voir, M. le Président de la République. Ce qu'on te montre au Lamentin, au Safari, ça, c'est pas le Sénégal. C'est pas le Sénégal. Le Sénégal est là. Tu viens voir Sali, le milieu, pour voir la réalité ce que nous vivons. Regarde-moi ce trou-là que vous voyez, Monsieur le Président, qu'on a montré tout à l'heure. Ça fait près d'un mois. Un mois, ils n'arrivent même pas à faire des cailloux dans ce trou. Ils ont passé, ils ont fait une recherche vers nous, soit disant qu'ils vont nous... Bon, c'est la SAPCO. La SAPCO, c'est la Société d'aménagement de la Petite Côte. Bon, ils ont passé, ils ont ramassé renoncement de tout le monde qui sont passés ici. Ils ont dit qu'ils ont nous aider des aides sociales. Mais nous, on ne voit rien. Ça fait des millions de millions. Il nous dit qu'ils vont nous aider. Mais des pères de famille qui attendent jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Hein? Nous, on a des enfants. On a envie de les faire vivre. Le vertir des classes, il est là. On ne peut même pas acheter des fournitures pour nos enfants. Nous ne voulons pas tendre la main. On n'est pas des gens qui tendent la main. Nous, nous voulons travailler et gagner notre vie. Nous ne prendrons pas de pirogues pour partir en Espagne. Monsieur le Président de la République, ayez pitié de nous. Macky Sall quest kenn parce qu'ils ne vont pas nous montrer la vérité duñ ko woon lu ñuy dundu gars yi dañ ko yóbbu place bi nga xamante ne laa lay wax de c'est nickel chrome bu ñëwee ñu waxtaan ak moom ñaari minutes ñetti minutes ñu tàcc ñu dem mais mosuñoo indi Macky Sall fii parce que xam nañu bis bu ñëwee fii gis dëgg bi kàmb gi ngay gis ni benn tuwaab daanu na fii nekk Neptune tànk bi damm ñoo ko yóbbu ba Neptune li may wax nii seede la nan la ñuy def pour vivre ici si les trois si les clients ne viennent pas si tubaab bu ñëwul fii ñun lan la ñuy dundee fii fii ñun lañ fiy dundee ñi tok fi ñepp Macky Sall lañu ñu mais parrainé ñu ko pour mom de ay leader yi nek suñu ginaa ñoo ñu jappalé né ñu jappalé leen ñu wotal Macky Sall mo tax ñu parrainé ko mais bu doon Macky Sall Macky Sall rek ñun duñ ko parrainé li do wax ne lu leer la waaw suñu leader yi ñoo tax ñu ñu parrainé Macky Sall mais bu doon Macky Sall ak Macky Sall ñun duñ ko parrainé parce que ñun fi lañu yaakar fi kuñ ko defaral duñ la parrainé duñ wax ak yow fi lañu am suñu jabar yépp ñibi lañu ndax li leen jox ju amatuñu ko

parce que fu nekk ni gars yi nekk Europe xoolal kàmb bi ngay gis na le benn gars bu ñuy wax Bazoka bu nekk Europe moo yónnee xaalis ñu defar ko barkaati démb ñaari camion fii ñu nekk volontaire ñu ñu lépp bëgg mu baax léegi gars yi nekk Europe ñëw ñëw du ñu jàppale fii pour fii fii fii baax bu ñu ko teg fi mooy fii lañ fi teg ñoom meen ay waa SAPCO waa SAPCO ñoom li ñu mënoon def nañ ko ñëw nañu fii recensé nañu mais recensé bi ñu recensé ci lañ leen gëj a ba léegi nii leeruñu ndax dinañu jot wala duñu jot waa ko ñoo nañ fii ba recensé ñu sincèrement parler nee nañ dinañ defar plage bi dinañu jox ay aide te Macky Sall dina ñëw léegi ni dans une semaine gisuñu dara. la première fois ñoom ñu ñëw fii laa wax ñuy wax ñi Sall dinañu jox benn affaire mais dañu daan ñëw fii di ñaan dañ defar plage bi dinañ defar plage de cinq ans ngi nii ñu ñuy dig ne dinañ defar plage bi defaruñu dara waaw. SAPCO li ñu mënoon nag def nañ ko mooy ñëw ji recensé ñu recensé boobu ñu ñu recensé ñuy xaar Macky Sall nag avant Macky Sall di ñëw nag bëgg nañ ñu ñëw ñu jox ñu ñu waxoon parce que nit ko diggee benn affaire da nga koy def waaw gorto wax ja nag ñun ñu ngi xaar affaire boobu bu fekkente ne nag joxuñu ko bu Macky Sall ñu ñun nañ takk suñu bandeau rouge wane ñu carrément ne li nga ñu digoon gisuñu ko xamuñu nag fu mu féete ndax yegg si na wala yegg siwul dañoo bëgg mu leer ñu ñun duñu ay xale kenn duñu nax. waaw parce que ñun moom Macky Sall mënuñoo jot si moom. mais gars yi nga xamante ni ñoo ko fi nekkal mu dénk leen wàllu tourisme beeg affaire yooyu yu mel ni waa SAPCO parce que lii nii pax bii nii.

suñ leen dimbaliwul doon añ Macky Sall nag moom dañoo bëgg mu dimbali ñu ñëw fii xool gars yi indi ko si place bi mais fi mu dool nii leer nañu ñu ñun Macky Sall bu ñëwee fii sali kenn du ko indi fii Obama la ko gars yi di yóbbu di koy nëbbu vérité bi sab ko nag ñoom ñoom dañoo sonn si ñoom. nañ ñu andil keneen koo xamante ni mën naa gérer li parce que pax ma mële mënoo koo suul ça fait deux mois nga ne da ngay suul pax mi wax ni waaye fii di ngeen koy defar kon ñun gëmuñu loolu. ñun loolu rek lañ amone luñu lu wax dañu bëgg ku ñu défaral fi ñu mëna a dimbali suñu njabot Macky Sall nak dañ ko paréné ni rek mais duñ ko wotel de kenn duko wotel dañ ko paréné ni rek juste mais kenn duko wotel woteel. wax du ci baré mais pour vous dire que toujours il y a deux ans de cela waxon nañu banque mondiale dégagé na ben enveloppe pour ñu jëma défarat plage bi ni mais gis nañu ni ils étaient en phase d'étude mais na fu mu né ni phase d'étude fokk na naa nañ fa passer Nous avons une phase de réalisation Nous avons nit tourisme bu avons création d'emplois, nous avons wax emploi de tourisme. tourisme le Sénégal nous avons une économie qui est ci trois yi agriculture élevage et tourisme donc au Sénégal mënul dox sans tourisme l'économie nous sans tourisme ne mënul donc nous avons autorités yi ñu ngi ñaan ñëpp ku ñu nous une daal ñun plage Nous

de même que des hôtels, des touristes qui se font de plus en plus rares, poussent ressortissants français à demander aux autorités de favoriser le tourisme à l'image du Maroc avant de dresser un bilan triste. Et votre pays, ce qui me gêne beaucoup en ce moment, c'est que vous ne favorisez pas le tourisme. Vous avez une mine d'or entre les mains et vous ne savez pas vous en servir. Il n'y a, a qu'à voir les plages ici à Sali, tout ça, c'est à l'abandon, c'est triste. C'est triste. le Savannah qui a l'abandon, des trucs. Pourquoi Pourquoi vous faites rien pour les touristes Favorisez le tourisme. Le Maroc a su en profiter, d'autres pays en sont profités Faites pareil. Faites venir les touristes. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de plage. Les travaux devaient commencer au mois de juin, on est au 15 octobre, il n'y a rien de fait. Où, où sont les Hollandais qui devaient venir au mois de juin ah ben moi j'ai lu, j'ai lu et entendu dire qu'au 15 juin, les Hollandais devaient être là et commencer les travaux. On au 15 octobre, il n'y a personne. Où ils sont Bon, le message que je fais au président, favoriser le tourisme. Ayez une compagnie aérienne qui dessert le Sénégal en partant de la France ou de l'Europe. Favoriser des hôtels, favoriser l'implantation de, retraités. C'est malheureux à dire, c'est des retraités. Mais c'est des gens qui vont vous apporter de l'argent, du travail, des petits emplois peut-être, mais des emplois. Favoriser le tourisme. Attendu ce 18 octobre à Sali pour lancer les travaux de protection et de restauration des plages, le président de la République Macky Sall devra faire face à des acteurs désespérés, déboussolés.